Aha! doo amul doole sax wala nga juddoo da ngay entraîner di entraîner di mun dox soy dox doxu goor yoon bi sallallahu alayhi wasallam ñom Omar fu la doon romb dañuy bax Omar bu xàccee ni jaasi bi bu ko defee ni rek caaxaan faax te bo démé mak ba gis jaas Omar bu ñu la nee kii nii da ko yor da ngay du dëgg. ki suñu boy la kii jantal boy la ki dafa am yar am teggin. barki maam Cheikh Rafal. dëgg la. mbër sa diwan lay bëree ki

J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui. qui... Ah <laughs> Eh Eh eh, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. a... Eh, le monde part en couille Non j'ai du mal à imaginer ce genre de truc là. Eh, eh! J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui. qui... Ah eh eh eh aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Laïla hey, eh, le monde. Assalamu alaikum. Nuyu nuyu waat du bari nuyo. <laughs> di jikko la. mais xam ngeen ne nag loolu weesoo Boucar Lick TV sama doomu day. doomu père Ablaye Ndour ah sargal Badara Ndiaye boo ko waxee ñëpp a ciy teew a jaxaw siin le 21 loolu moom saa waay bu lee paree nag bu ñu raxas ko nag ba def nag tour nag ci ma minute bi jaxaw siin la ñuy jàll nag nga xam ne lépp benn na nag ndax bu kar nag <laughs> xaw ma naka la Youssou Ndour wooye affaire bi ku ma ci ba ma jël <laughs>